Je vous remercie, chers collègues et frères, mesdames et messieurs. Depuis le 2 mars 2020, date à laquelle notre pays a enregistré son premier cas de coronavirus, le personnel soignant mène aux côtés de mon collègue Abdoulaye Djoufsar une lutte sans merci pour endiguer la propagation propagation du virus. C'est le lieu de leur renouveler notre hommage mérité pour leur dévotion à la cause noble et leur fidélité à leur vocation et sacerdoce, sauver des vies. La pandémie du Covid-19 menace les fondements de nos systèmes sanitaires, sociaux et économiques. C'est pourquoi, en plus des fortes décisions jusque la prise pour la contenir et en atténuer les effets. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, soucieux du bien-être des populations et de la stabilité socio-économique de notre pays, a mis en place un ambitieux programme de résilience économique et sociale qui agrège l'ensemble des plans sectoriels du gouvernement d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans le siège des actions qu'il a déjà entreprises avant l'apparition de la maladie sur nos territoires, a élaboré sur instruction du président de la République Macky un plan sectoriel de contingence de 12 milliards 500 millions de francs CFA pour assister, soutenir et protéger les Sénégalais de l'extérieur établis dans les pays touchés par le Covid-19 et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité. Cette diaspora, 15e région de notre pays, si chère au chef de l'État, constitue un maillon important de la stabilité de notre socle et n'a eu de cesse de prouver son engagement aux côtés de nos autorités pour le développement du pays. Conscient de que cette pandémie ne fait aucune distinction de race, de genre, de statut social ou de religion, J'exprime ma sympathie et mon affection à ces compatriotes qui subissent dans la dignité la rigueur des confinements et la hantise de la contamination. À cette vaillante diaspora, je transmets à nouveau ce message fort du chef de l'État, Macky Sall. Je cite, Le Sénégal ne vous abandonnera pas. Fin de citation. Si notre plan sectoriel de contingence dans son ensemble a été pensé et élaboré en faveur de nos compatriotes à l'étranger, force est de constater que cette cible est diverse et se présente sous plusieurs catégories. Dès lors, l'atteinte des objectifs ainsi déclinés nécessite une cartographie de la cible, une définition des critères d'attribution et la mise, mise en place d'un mécanisme de mise en œuvre. Par cible prioritaire, nous avons retenu les Sénégalais de l'extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, Sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régularisation de séjour, Sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos vaillants retraités des foyers qui sont aujourd'hui très exposés. Les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autres que nos pays de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l'aide de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil, les familles des malades et ou des victimes du Covid-19. Assurément, toutes ces catégories de toutes ces catégories précitées, nous ne saurions écarter les familles de nos compatriotes vivant au Sénégal. Nombre d'entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l'heure actuelle les répercussions de la baisse d'activité économique de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts. Quant au mécanisme de mise en œuvre, placé sous la coordination de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et Sénégal de l'extérieur, que préside le secrétaire d'État Moïse Sarr, que je félicite, parce que nous, nous avons eu au ministère une cellule de crise depuis l'apparition avant que, cette pandémie n'arrive au, Sénégal, c'est avec nos étudiants qui étaient à Ouan et qui sont sains et saufs. Cette euh, cellule donc vise à assurer la gestion efficace, efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan de contingence national de lutte contre la pandémie du Covid-19 au profit, au bénéfice des Sénégal de l'extérieur. Les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds sont la cohérence des interventions, la transparence, l'équité et la célérité. Ainsi, au niveau de chaque juridiction, sans préjudice des exigences de célérité et de transparence liées à la nécessité d'assister en urgence nos compatriotes il sera mis en place un comité de gestion de l'assistance et des aides sociales destiné à atténuer les effets du Covid-19 sur les Sénégal de l'extérieur et renforcer leur résilience. Ce comité, placé sous la présidence de l'ambassadeur, est composé du consul général ou du consul, du responsable des affaires consulaires ou sociales, de l'agent comptable, d'un député de la diaspora, de toute autre personne ressource, membre d'une association ou pas, désignée par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission. Une plateforme interactive d'échange et d'enrôlement est en cours de finalisation et fera office de moyen important de communication avec notre réseau diplomatique et nos compatriotes. Elle intégrera un formulaire d'identification et de recensement de nos compatriotes susceptibles d'être assistés. L'action du ministère s'appréciera en deux temps forts. Une phase d'urgence que mes services sont en train de mettre en œuvre depuis hier et une autre plus conséquente, dite de résilience, qui impose une nécessaire prise en charge dans le court, moyen, voire le long terme. Mesdames et messieurs, depuis la crise que la crise sanitaire s'est exacerbée dans certains pays, des compatriotes ont malheureusement succombé à la pandémie. Je voudrais m'incliner devant leur mémoire et présenter, au nom du chef de l'État, son Excellence Michel Macky Sall, du gouvernement et de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, ainsi qu'à mon nom propre, nos sincères condoléances. Pareille occasion me permet d'appeler l'attention sur la nécessité d'un respect scrupuleux des directives sanitaires émises par les autorités des pays d'accueil, renforcées par celles de l'Organisation mondiale de la santé, sans oublier les recommandations du Comité national de lutte contre les épidémies au Sénégal. C'est pourquoi instruction a été donnée à toutes nos missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher sans délai des autorités administratives et municipales, des villes, des résidences, pour disposer à chaque fois que de besoin pendant cette période exceptionnelle et que nous espérons bientôt derrière nous, une sépulture dans les cimetières musulmans ou catholiques pour nos fidèles défunts du coronavirus. C'est cette période, cette période de guerre contre un ennemi invisible, nuisible et insaisissable commande une fois de plus une union sacrée autour du chef de l'État, une mobilisation de toutes les énergies, une vigilance accrue, et un respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires pour vaincre cette maladie. Ensemble et avec le soutien de tous, nous réussirons. Je vous remercie de votre très aimable attention.

Nous voulons leen di équipe bi mu àndal di rafetlu résultat yi nga xam am nañ ko aduna bi yëpp diko ko politique bi nga xamné ak mesure yi nga président Macky Sall jël nako ba tax sa ne Sénégal ci réew yi nga xam li ñi def pour xeex feebar bi Sénégal donne réew bo xamné amantina na ci nab bi feebar bi duggé Sénégal président xam ni feebar bi ginnaaw nit ñi mu mën a lor dina yàq lu bari ci koom-koom bi mën na sax yàq lu bari ci réew mi loolu moo tax mu defoon benn plan boo xam ni plan bu ñuy wooye plan d'urgence la def ci plan boobu junni milliards junni milliards yooyu li mu war a faj bari na junni milliards yooyu war nañ cee jàppale santé junni milliards yooyu dinañ ci jàppale koom-koom bi ndax waxtu wi ñu toll koom-koom bi dina soox lool junni milliards yi dinañ ci jàppale loolu le président bëgg ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu ñu gën leen di woowee ci ay ménages vulnérables loolu moo tax yeneen ministères yi ku ci nekk yaa ngi doxal politique bi nga xam ni président définir na ko ci fànn boobu président jàpp ni sunu mbokku compatriotes yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te ñu tuddee leen 15e région ñu am salol solo lool ci koom-koomu réew mi ndax at yi wees boo jëlee réew mi alal ji mu am yépp daanaka téeméer bo jël fukk yi mi ngi doon joggé bitim réew kon ña nga ñoo nekk bitim réew am nañu solo lool ci Sénégal motax président jëloon ndigal jëloon dogal jox ndigal ministère des affaires étrangères génné ci alal jooju fukki milliards ak euh, genn wàll pour ñu dimbali ñooñu xam na ni loolu ñëpp mënuñu cee jot ndax am na ñoo xam ni dëgg-dëgg du leen ci mën a boole mooy képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ni réew ma nga nekk ma lay jàppale képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ne la nga dese wala la nga yor ci alal mayu la nga jot ci lii doo ci jot ñi ñi nga xam ni président bëgg na ñu jot ci mooy étudiants yi nga xamné amuñu bourse te doon def ay liggéey yu sew yo xamné ne ko ñi nga xamné ñi ngi won bitim réew nek ci situation de vulnérabilité Mo xam amnañu nañu wala amuñu këyit doon nek ay commerçant yo xamni surtout vendeur à la sauvette nekkoon ci ci ci ci ci ci dëkk yi rawatina dëkk yu mag yi ñooñu nga xam ne tey mënuñoo génn mënuñoo dem fenn mënatuñuy dimbali sen njabot gi ñu Sénégal ñooñu le président japp ne war nañ leen dimbali fii ñu nekk ginnaaw bi nga xam liñ ko nga ñu ngi koy def ci biir réew mi di dimbali famille yi neew doole inshallah ñooñu kenn du leen fàtte. bi xé feebar bi nag duggé ci af monde bi ministère des affaires étrangères amon na benn comité de crise ndax doomu Sénégal dañoo nekk ci àdduna bi yépp feebar bi fi mu jógee ci Chine amoon nañ fa fukki étudiant ak ñett ñu amoon benn comité de crise boo xam ni secrétaire d'État en charge de Sénégal de l'extérieur moo ko présidé woon di wax ak étudiants yi di wax ak parents wu étudiants yi ñu dimbali leen mesures yi nga xam ni jëloon nañ ko tey jii ñëpp war nañu rafetlu ni que mesures yooyu bokk nañ ci li sauvé Sénégal ndax réew yi nga xam ni doxawaloon nañu neneen gis nañu tey réew yooyu ci coono bi ñu nekk kon la ñu mën a wax ci loolu mooy gàcce ngaalaama président Macky Sall ci esprit bi nga xam ne amoon na ko donte yëf yi metti woon na lool mu jàpp di war nañu dimbali foofu sénégalais yi dénk leen gouvernement chinois ñu jàppale leen ba kenn feebaru ci kenn lorowu ci comité boobu la ñu mi ngi dox ba tey ñu dénk ko comme Moïse Sarr mu ciy liggéey cadre yi nekk ci ministère bi ak yenn responsable ministère bi

ndax li ñu président sant mooy na yëf yi nañ ko doxal ci transparence na gaaw surtout mais aussi na ànd ak transparent région bu nekk lu ñu woowee juridiction ci ñun mooy réew wala groupe bu réew bi nga xam ne am nañ fa ambassadeur ambassadeur bi ci boppam mooy présider commission bi mais ci biir ambassade boo mën ci gis nag am na ñoo xamante ni ñoom ñooy toppatoo les affaires consulaires muy consul généraux yi wala consul wala bu nekkee amuñu ko ci dëkk ba ambassade ba am na koo xam ni mi ngi ci mooy yor responsabilité des affaires consulaires ñooñu ñëpp dañuy bokk ci commission bi. leneen li nga xam ne danañ ko def mooy agent comptable bi mooy ñi nga xam ne ñooy day denc xaalis bi ñooñu aussi danañ bokk ci commission député de la diaspora dinañ leen boole ci commission bi ak képp koo xam ni jàpp nañ ni sa teewaay ci commission bi dina jariñ askan bi jox nañu ndigal comité bi na la woo lépp pour mu leer pour mu gaaw nous depuis mesure de soutien d'urgence la depuis démb ñu ngi exécuté benn dépense un milliard yaakaar nañ wala gën fin de semaine ambassade yi ak consulat yi dinañ ko jot séddale nañ ko Moïse dina ñëw wax nañ ko feebar bi am ay doomu Sénégal yi mu dal bitim réew am ci ñoo xam ni dañ ci wàññeeku ñuy jaale ci turu président Macky Sall ñooñu ñëpp seeni njaboot di leen jottali aussi njaalu gouvernement bi ak njaalu ministère des affaires étrangères amoon nañu nag aada koo xam ni da nga wàññeeku bitim réew moo xam say mbokk dañ lay indi moo xam ambassade bi da lay dimbali moo xam ministère bi dalay dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen i néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci min OM yi nga xam ne am na ak conseil yi nga xam ni sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu mënuñu leen andi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instructions pour que sunu ambassade yi ak sunu consulat yi ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppoog yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñun wax nañu sunu consulat yi dëkk yi nga xam ne dafa jar ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah danañ ko def ci nu mu gën a gaawee alal ji njëkk a yóbbante daanaka loolu lay jariñ maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu dinañu waxtaan nag docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen desse képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññeekoo mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàppee ni da war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñu mën a ñibbisi. ñuy dool dellu di jaale mbokk ñooñu di mettitlu di naqarlu la nga xam ni daal na leen ndax ku sañoon bu sa mbokk wàññeeko nga defal ko la nga xam ni moom la la mujjee ñaan balaa muy génn àdduna wala nga defal ko yow li nga xam ni moom moo gën a dal sa xel mooy indi ko ci réew mi ndax nga mën fa dem di ko ziyaare waaye di ni àdduna bi bindoo tey ak danger yi nga xam ni am nañ ko risques yi nga xam ni am na ci àdduna bi ñu dem ba àdduna bi dem beeg dikk bi dañ ko taxawal ñu dem ba ci àdduna bi boo amee sa doom mbaa nga am sa way jur mu nekk ci bitim réew mënoo ci moom dara mënoo ko jëli mënoo ko fekki doonte da nga ko mën bu àdduna demee ba tollu foofu nañu nangu ni la àdduna bi laaj ndax réew mi yëpp mën a mucc loolu rek la gouvernement bi mën a def ci loolu la gouvernement bi taxaw moo tax ñuy ñaan sunu mbokk yooyu doonte xam nañ ni metti na parce que ñaari naqaru mooy naqaru am ku wàññeeku ak naqaru la nga bëgg munoo ko def nañu xam ne gouvernement bi mi ngi seen wet lépp luy ndimbal ñu mën ko dinañ ko def ci autorité diplomatique yooyu pour ñu mën leen denc denc bi gën a rafet am na ay cas yoo xam ne réussir nañ ko ci déjà Espagne ñuy dellu di jaale mbokk mi nga xam ni noppaloo na Espagne denc nañ ko fa ndax jullit la woon ci cimetière ci carré jullit yi fa nekk imaam taxawu na ko ba euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla xale ko àjjana ñu ñaan yàlla aussi ñi nga xam ne wàññeeku nañu ci yeneen réew yi nañ ñu dimbali topp ñu ci loolu ndax loolu mooy la nga xam ni dina leen jariñ ñoom fi ñu nekk ndax loolu mooy liy jariñ réew mi ndax réew mi tey li ñuy def yëpp mooy xeex ba préserver réew mi te réewu adduna yëpp ci loolu la ñu mànko ma leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen masaw salaamaaleykum wa rahmatullah Voilà, bonjour à tous. Euh, bonjour Issa Tchorogay euh, et bonjour à Ismail Diop euh, du côté du triangle sud. Alors aujourd'hui, nous avons eu deux communications. La